forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelles mesures de protection pour les femmes dans un contexte de, de conflit armé et de Covid-19 Tel est le thème du forum d'aujourd'hui. Quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées en ces temps de Covid-19 et de conflits armés Quelles sont les mesures de protection que les acteurs étatiques et non étatiques doivent envisager en faveur des femmes Des réponses à ces questions et à bien d'autres seront fournies par nos invités du jour. Il s'agit de Madame Garba Maimouna, elle est consultante euh, genre, paix, sécurité et gestion des conflits. Elle est en même temps conseillère technique à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale nous avons euh, en ligne euh, avec nous Madame euh, Falmata Malam Kouko. Elle est membre de l'Association pour l'épanouissement des femmes et des jeunes à DIFA. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également invité pour cette émission le ministère de la Santé publique, mais notre invitation était restée sans réponse. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le Niger fait face à plusieurs épreuves. L'une d'entre elles est la question sécuritaire liée au terrorisme dont les régions de Difa et de Tilaberi sont les plus touchées. Dans ces régions, l'on comptabilise des centaines de morts, des blessés et des milliers de déplacés internes, ainsi que des réfugiés, parmi lesquels les femmes et les enfants. Une épreuve qui dure depuis longtemps. Une autre épreuve, pas la moindre, fait son apparition. Il s'agit de la crise sanitaire mondiale du coronavirus à la date du 28 juillet 2020, le Niger a enregistré 1132 patients déclarés positifs au Covid-19, dont 1027 guéris, 36 en cours de traitement et 69 décès. Et toutes les huit régions du Niger ont enregistré des cas de personnes infectées au Covid-19. Les effets de ces deux épreuves d'ordre sécuritaire et sanitaire se font durement sentir auprès des populations, mais de manière différenciée. Parmi les groupes de personnes vulnérables se trouvent les femmes, et c'est justement autour d'elles que nos échanges tourneront. Il s'agira de voir notamment comment garantir une protection optimale aux femmes dans des contextes marqués par des conflits armés et aussi par le Covid-19. Nous débutons tout de suite avec euh, cette première question euh, à tous. Quel est le niveau de vulnérabilité des femmes face aux conflits armés euh, j'adresse cette question à Madame Falmata Malamkouko. Euh, vous êtes membre de l'Association pour l'épanouissement des femmes et des jeunes à DIFA. La question des vulnérabilités, je m'en veux tout d'abord souligner un point le conflit armé. Il y a l'extrémisme violent. Là, c'est la présence de groupes armés non étatiques composés uniquement de combattants de la nébuleuse Boko Haram dans notre zone. Dans cette situation, les femmes et les filles sont les plus vulnérables. Ce sont les premières victimes. Les maris et les enfants enlevés et tués, les femmes et les, filles emportées, enlevées et emportées et pour servir des, femmes au tennis. terroristes. À cela, encore s'ajoute, euh, ceux-là qui sont enlevés sont devenus des victimes collatérales hum. de des frappes de nos forces de défense. Et quand il y a les sécurités. Hum. Il y a toujours un déplacement qui suit. Les déplacements, vous voulez dire les déplacements euh, de, de, ces populations dues à l'insécurité Les déplacements internes mmh. des populations. Oui. Dès qu'il y a insécurité, il y a le déplacement qui suit. Et là aussi, les femmes et les filles payent le plus lourd Est-ce qu'il y a viol, avortement, grossesse non désirée. Il y a aussi la conséquence économique. La question des, des, des, viols, les enlèvements, oui. Oui, l'enlèvement des jeunes filles, l'enlèvement des maris et des, jeunes se jeunes hmm. et les, les, les, les les enlèvent et les tuent. Donc les femmes deviennent automatiquement des veuves et chefs de ménage. Et à cela, hmm. maintenant vient s'ajouter le déplacement. Dès que le, village est attaqué, maintenant il faut se déplacer. Euh, pour aller chercher abri ailleurs. Un abri ailleurs. Hmm. Et maintenant, à la recherche de l'abri, là, en cours de route, il y a aussi des difficultés. Il y a des femmes enceintes qui vont vouloir se déplacer il y a l'avortement qui suit, parce qu'elles sont, elles sont, comment on appelle ça oui, euh, parce que souvent, c'est des déplacements qui se font sans préparation et, euh, souvent à pied, tout ça, sur des longues distances. Voilà, pour une femme fatiguée, enceinte, elle ne peut pas supporter. Hmm. Donc, il y a l'avortement. Oui. Les jeunes filles oh, sont, violées, enceintes en même temps, de grossesse non désirée, C'est ce que nous vivons actuellement. Hmm. Est-ce que la question aussi de, de la scolarisation, la question... Il y la euh, désescolarisation de... aussi de la jeune fille. Hum. Elles sont désescolarisées ce qu'une fois quittées leur placement, à la recherche d'un abri, c'est fini. Elles perdent aussi la scolarité. Euh, en tout cas, nous voyons que c'est une situation euh, qui est très déplorable, donc que vivent ces femmes euh, dans les zones d'insécurité, dans les zones qui sévit l'insécurité, euh, notamment cette euh, région de, Difa. Il y a aussi la région de Tilaberi. Nous avons également invité pour cette émission un acteur de la société civile, mais malheureusement qui ne sera pas avec nous, qui aurait pu nous donner plus de détails par rapport à la question précise qui concerne la région de Tilaberi. Euh, restez en ligne, nous allons revenir euh, en studio avec euh, Madame Garba Maimouna. Elle disait qu'elle est consultante en genre paix, sécurité et gestion des conflits. Elle est aussi conseillère, technique euh, à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Madame, euh, voilà, vous avez entendu Falmata décrire un peu la situation de vulnérabilité des femmes dans des situations de conflits armés. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire un point sur la situation générale du Niger en termes de vulnérabilité des femmes. Il faut mhm. rappeler que les femmes constituent plus de la moitié de la population. Mhm. que dans cette population, 48% vivent au-dessus du seuil de pauvreté, que mais sur 4 pauvres sur sur trois pauvres sur 4 au Niger, ce sont, des femmes. Nous avons un taux d'analphabétisme des femmes très élevé. Mhm. Seuls 14% des femmes au Niger savent lire et écrire selon certaines études. 64% des femmes n'ont aucun niveau d'instruction compte 37% des hommes. Mais ce qu'il faut relever que l'indice d'inégalité du genre au Niger figure parmi les plus élevés. Et les défis de l'égalité du genre, de l'autonomisation et de l'implication des femmes au processus de développement se causent donc avec une très grande acuité. Par rapport à la question sur les conflits, il faut aussi relever que le Niger était vraiment un pays de paix, mm. mais actuellement nous sommes pris en sandwich entre différentes euh, différents pays en conflit comme la Libye, le Mali, pour ne citer que cela, ça veut dire que la situation est devenue beaucoup plus préoccupante tant pour les autorités que pour les populations, mais particulièrement pour les femmes et les enfants. Et tout à l'heure, on avait entendu euh, Falmata euh, nous, nous, nous, décrire un peu la situation de la région de Difa où, du fait de, du, de, de, de ces conflits armés, de l'insécurité, les femmes se retrouvent euh, sans mari, sans, sans, grand, sans, sans enfants. Les jeunes garçons certains sont, sont, partent rejoindre et, les maris sont souvent enlevés, tués. Et elles se retrouvent à, voilà, à prendre en charge le ménage, souvent à se déplacer dans des situations difficiles. Euh, pour rappeler la situation des conflits, il faut noter que dans les conflits anciens, la plupart du temps, ce sont les soldats qui sont les victimes. Mais actuellement, et nous sommes en train d'assister à un inversement de la situation où ce sont principalement les femmes et les enfants qui sont les premières victimes et qui en souffrent le plus. A t elle enseigne qu'un chercheur en la matière disait donc il est à présent plus dangereux d'être femme dans les conflits actuels que d'être même soldat. Donc le fait même d'être femme, c'est déjà un, défi énorme à relever pour les femmes en situation de conflit sur les terrains de conflit. Mm. Et la femme devient elle-même un théâtre de conflit par rapport aux hommes et à tous ceux qui y sont, parce qu'elle est victime de toutes les violences de tout genre. Mm de, la part, mais de la part des, des, assaillants. De, la de la part des belligérants, que ce soit côté ami ou côté ennemi, mm. que ce soit les membres, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit même les institutions internationales qui leur viennent en aide. Parfois, l'aide est, est conditionnée par, en tout cas, un geste, un geste malsain de la part de ces intervenants. Donc la femme, elle là, c'est trop fort. Est-ce que c'est, est-ce que vous avez, des, c'est des témoignages que vous avez recueillis dans ce sens ou qu'est-ce qui vous permet d'avancer Vous savez, la femme, la femme, quand elle est touchée dans son intégrité physique et morale, elle est, elle est faible. Et nous avons constaté que sur le terrain, la plupart du temps, que ça soit en tout cas les belligérants font de, la, de la femme leur principal c'est une tactique de guerre en quelque sorte. Et dans la région de Tel nous avons constaté que certaines femmes, vraiment, elles ont été victimes de, ces, agences d'intervention parce que quelque part, elles sont, elles sont mises à, mal par rapport à avoir accès à, certains, certaines aides. Et elles sont souvent acculées et n'ayant pas le choix, vous voulez dire que souvent évidemment, elles, évidemment, elles, sont évidemment, parce qu'elles sont désemparées. Elle n'a pas le choix, elle, elle, a, quitté chez elle, elle a en face d'elle des enfants qui sont dans des besoins et donc elle ne peut que se faire aller. Euh, alors, nous allons revenir à vous le, temps de faire réagir peut-être euh, Falmata Malam, euh, qui est membre de l'association pour l'épanouissement des femmes et des jeunes. Alors, Falmata, est-ce que ce que Madame, Madame Garba Maimouna vient d'évoquer, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû constater aussi sur le terrain euh, notamment le fait que la femme est aujourd'hui euh, prise entre, entre deux feux, euh, que ce soit du côté des ennemis que des amis. Oui, oui tout à l'heure je disais, hmm. une fois, les, maris, les enfants enlevés et tués, que la femme devient directement chef de ménage hmm. et elle est exposée à tout risque. C'est le fait extrême de la vulnérabilité hmm. morale et physique. Mm. Donc, dans ce cas, la femme est déjà faible, vous voyez donc, euh, elle est la plus vulnérable. Alors, après ces, premiers constats sur la question de la vulnérabilité de la femme face au conflit mm-hmm. armé, nous savons euh, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, que depuis mars 2020, euh, notre défi vient s'ajouter à déjà ses défis sécuritaires, notamment c'est cette question de la pandémie de, euh, du coronavirus. Qu'en est-il de, de la vulnérabilité de ces femmes déjà affaiblies par l'insécurité face au Covid-19 Leur degré d'exposition à la maladie ou à ses effets, dans, notamment par exemple dans la région de Difa Madame Falmata D'accord, dans la région de Difa, et par rapport au Covid-19, là aussi, les femmes sont les victimes, les premières, parce qu'elles sont entassées dans des centres d'accueil, elles sont les premières, elles sont les cibles du Covid et de sa propagation. Hmm. Heureusement pour nous, dans la région de Bifa, on n'a pas eu beaucoup de cas, comme les autres, euh, comme les autres régions. Euh, hmm. Oui. nous, on n'a pas eu de cas vraiment. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sinon, vu les, les sensibilisations sur le terrain, les gens arrivent à respecter vraiment les mesures que l'État a mis en place de la prévention du, du Covid. Et Dieu merci. Et quand même, ça fait peur. Mais, mais sur le terrain, on voit quand même que euh, peut-être que c'est par coup de chance que euh, la maladie ne s'est pas tellement propagée dans la région, mais il y avait des, des, il y avait des, des critères de risque. Bien sûr, hum. c'est par coup de chance que la maladie ne s'est pas propagée. Il y, a des, il y a des risques parce que les femmes, les enfants sont entassés dans des, dans des centres d'accueil. Hum. Il y a un peu tout là-bas, donc c'est pas facile. Mais Dieu merci, on Les, mesures ont été respectées, les mesures de prévention. Certaines mesures, j'imagine, parce que euh, les mesures de distanciation ne, pouvons, ne pourront pas être respectées dans ces genres de situations que vous décrivez. Mm-hmm. Alors, nous revenons au studio avec euh, Madame Garba Maimouna. Comment, avez, comment vous, vous analysez la question de la vulnérabilité de la femme de façon générale face à, cette pandémie de, coronavirus qui a aussi secoué le Niger, euh, à l'instar de certains pays, et notamment aussi les, femmes euh, situées dans ces zones de conflit. Je, dirais que la vulnérabilité, elle est, très développée. D'abord, la femme, elle est en dehors de chez elle. La promiscuité est dans et les abris sont de, vraiment des abris dérisoires les conditions d'hygiène ne sont pas remplies, donc elles sont vraiment euh, exposées au, plus haut niveau. Bon, je me dis que l'État a déjà fait des, efforts considérables, mais ce qu'il faut relever pour les femmes, il faut vraiment améliorer leurs conditions de, leur, les, conditions de l'existence même il faut que vraiment elles se sentent à l'aise au niveau de ces camps-là parce qu'au niveau des camps... Vous a... parlez des femmes euh, qui sont sur, les camps des réfugiés. Ah, oui. Mm. Sur les camps des Et des déplacés. Et des, déplacés, mm. qui sont vraiment les plus exposés. Mm. Sinon, généralement, pour les femmes en général, la vulnérabilité, elle est déjà là dès l'instant où la femme n'est pas autonome, dès l'instant où la femme est victime de plusieurs violences et que le Covid s'ajoute, je trouve que qu'ici, on risque de parler même d'horreur d'horreur. Euh, nous allons continuer euh, toujours à, relever les, défis euh, pour parler de façon un peu plus en détail par rapport aux principaux défis qui se posent à la femme. exposée à ces, ou bien on va dire qui fait face à ces deux défis, le défi sécuritaire et le défi sanitaire dû au, lié à, la, au, coronavirus. Madame Falmata, Madame Koko, quels sont aujourd'hui euh, les principaux défis qu'on peut énumérer euh, auxquels sont confrontées les femmes euh, en temps de Covid-19 et des conflits armés Voilà, j'étais sur le point d'évoquer les deux points. Vois mhm. toi. Mhm. Il y a la scolarité d'abord, oui. les jeunes filles. Il y a aussi la prise en charge de ces femmes sur le plan médical. Parce que là où elles sont, il y a aussi il y on vient de dire madame, si la femme n'est pas autonome, elle est exposée à tout. Donc il y a aussi la question de la santé, la prise en charge médicale mm. et aussi l'appui alimentaire, pourquoi pas. Ces femmes sont confrontées à la conséquence économique. Mm. Elles ont perdu tous leurs biens, elles sont devenues des femmes et, elles supportent tout dans la famille parce que les maris sont décédés, hum. elles ont les enfants, elles n'ont pas un bon abri. Donc il y a la scolarité, il y a la, prise en charge médicale hum. et aussi l'alimentation. Et, leur protection euh, de façon générale. Ça, c'est la question. il y a aussi la protection. Hum. Mais Dieu merci, l'État du Niger a fait beaucoup d'efforts, bien qu'elles ont quitté là où elles sont, mais elles sont protégées. Hmm. Alhamdulillah, on remercie Dieu, on remercie l'État du Niger et on l'encourage beaucoup. Hmm. Mais on, on, souhaite à ce que l'État continue à les protéger et à ah. les aider. Hmm, d'accord. Euh, nous allons nous allons revenir en studio euh, Falmata pour euh, voilà avec Mme Garba Maimouna. Quels sont, à votre avis, en plus de, de ces défis cités par Falmata, quels sont les autres défis auxquels la femme est confrontée euh, dans ces deux situations euh, qu'on peut ajouter Je dirais qu'elles sont exposées aux défis politiques, aux défis économiques. Le défi politique Je dis politique parce que nous sommes en pleine, presque en pleine campagne électorale. Les femmes qui sont déplacées n'ont même pas assuré leur survie, à plus forte raison penser à des instances se positionner au niveau des instances décisionnelles, alors que l'important, c'est là, mm. parce qu'il faut être au cœur de la situation pour pouvoir se positionner et défendre les intérêts des uns et des autres, mais surtout les intérêts des personnes les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Donc, mm. je considère que c'est un défi énorme mm. du défi politique est posé. Je parle aussi du défi économique parce que les femmes dans les camps de réfugiés n'ont pas la possibilité, même en temps normal, elles sont vraiment limitées dans les activités génératrices de revenus, à plus forte raison dans des situations de conflit. Mm. Donc, c'est vraiment deux, deux, conflits énormes auxquels elles sont confrontées. Mm. Et je dirais qu'elles sont aussi confrontées. Je voulais intervenir sur la de la jeune fille. Mm. Vous avez constaté au niveau de la région du Tilabiri que plusieurs écoles sont fermées et, des écoles de regroupement ont été promises par le gouvernement, mais jusqu'ici, ça tarde à venir. Et je crois que déjà, la de la jeune fille sa ça végète plus ou moins malgré les efforts fournis par l'État. Donc, si cette situation perdure, la situation donc, risque de s'empirer. Hmm. Et je crois qu'il est important de revoir la chose pour pouvoir mettre ces enfants dans les, vraiment les, conditions au moins minimales de scolarisation pour l'année prochaine parce que cette année est déjà perdue. Alors par rapport aux défis politiques dont vous avez parlé, hein, c'est que déjà ces, ces femmes confrontées euh, euh, obligés, qui ont été obligés à se, à se déplacer, qui sont dans des situations en tout cas un peu difficiles, euh, ne songent qu'à déjà à, à, à, manger à leur faim, à boire à leur faim. Ne, peuvent pas penser, vous, vous voulez dire qu'elles elles, n'ont pas cette possibilité de, de penser Même si elles ont la, possibilité, la possibilité est très limitée parce que leur, maintenant leur problème c'est la survie. Ce sont vraiment les besoins élémentaires qu'elles cherchent à satisfaire. Donc pour pouvoir euh, aller aux élections, il faut au moins être recensé. Je me pose la question, est-ce que ça a été fait sur les camps de réfugiés Et même si ça a été fait, est-ce qu'ils auront le temps matériel Est-ce que la situation, compte tenu de son évolution, mm. va leur permettre d'être vraiment des actrices actives dans le processus électoral que ça soit, que ça soit pour, euh, en tant ah, qu'électrice, que, peut-être même pourquoi pas euh, être élu. Voilà, pour mieux se positionner et pour mm. pouvoir défendre les intérêts. Parce mm. que je me dis que il n'y a pas mieux qu'une autre personne pour défendre les intérêts des femmes qu'une femme. Mais déjà, on avait évoqué un peu ces questions, le fait que la femme est souvent prise en, sandwich euh, entre l'ennemi et les amis, entre les ennemis et les amis est-ce qu'il y, a, euh, y a des dispositifs euh, euh, qui sont mis en place qui permettent aux femmes victimes de certaines violences ou de certains, actes immoraux de pouvoir, de pouvoir dénoncer ou de pouvoir chercher assistance en la matière, le ministre de la Promotion de la Femme a déjà fait un pas important parce qu'ils ont déjà, en collaboration avec le FUNAP, mené une étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre au Niger. Et cette étude vraiment a révélé les différents types de violences, leur ampleur et la gravité de la situation. Et à cet effet, compte tenu de ce qui a été fait, le ministère en la matière a élaboré une stratégie pour lutter contre ces violences. Et d'autres ONG aussi sont en train de faire, en tout cas de mettre la main à la pâte pour pouvoir solutionner le problème. Bien. Madame Falmata Malam Kouko, euh, est-ce que sur le terrain, euh, cette question, euh, vous avez l'impression que cette question est, prise au sérieux et elle est traitée comme, comme, comme il faut La question mm. de rendre justice à ces femmes qui sont victimes souvent de, de, de, violences mm-hmm. de tout genre. Il y a des, des ONG qui interviennent dans ce domaine, mmh. sont toujours sur le terrain, mmh. à de, ces derniers, et ils font de leur mieux quand même. Bien. Alors, euh, dites-nous, vous, euh, au niveau de l'association euh, pour l'épanouissement des femmes et des jeunes, à quel niveau intervenez-vous dans la chaîne de protection des populations, notamment la femme Quelles sont ah, vos activités phares Oui, nos activités. Et notre association, et organise des AGR au profit des jeunes filles hmm. de moins de 18 ans hmm. dans la lutte contre le mariage forcé et précoce en situation de genre. Pourquoi cela Oui. Parce n'ont pas les parents déplacés, ils n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants à l'école. Hmm. Donc il y a la désescolarisation qui dans ce qui Et étant très faible, dès qu'ils trouvent quelqu'un qui leur propose un peu un petit moyen, ils acceptent ils donnent leur fille en mariage, des petites filles de 11 ans, 12 ans, voire 13 ans. Donc nous, on intervient dans, ces cas pour vraiment aider, appuyer la fille. En, gros, on appuie la mère mmh. Hum. contre la fille, hum. parce qu'on donne des détails, des, des, des, Donc, en gros, euh, vous, appuyez les parents, vous appuyez les familles euh, à se prendre en charge, à avoir des moyens de subsistance pour ne pas avoir à marier leur enfant très tôt. Voilà, voilà. Ah. Et quel, quel, quel, sur quelle autre piste intervenez-vous en dehors, de, euh, en dehors de la scolarisation de, de la jeune fille et de l'appui aux, aux, familles euh, Tout d'abord, euh, tout nous avons cumulé aussi la sensibilisation sur le Covid-19. Hum. Donc là, nous avons sensibilisé des jeunes filles du scolaire hum. de différentes communes, voire 4 à 5 communes de la région. Hum. Et nous avons aussi ciblé nous avons pensé à des cibles qui n'ont pas été négligées, mais un peu oubliées par l'État. C'est lesquelles Les talibés. Les, talibés. Hmm. les écoles coraniques. Oui. Donc nous, nous avons pensé à, cela. Hmm. Nous avons sensibilisé. En même temps, nous avons offert des kits de lavage de mains modernes. Oui, parce que c'est la question que j'allais, c'est la question que j'allais vous poser. Euh, quand on a affaire à des populations euh, démunies, euh, est-ce que la sensibilisation seulement suffira pour ce qui concerne la question de la maladie du coronavirus Parce qu'il faudra avoir aussi des, moyens de protection. Hum. Et on a mis à leur disposition des types de lavage de mains modernes. Hum. Pourquoi j'ai dit je moderne, hum. parce que c'est des bidons de 50 litres d'eau, de bouilloires de seau et du savon de la bivelle. Et nous les mm. avons vraiment montrés, mm. comment les utiliser. Mm. Bien. Nous allons. Voilà. Bien, madame. Là, nous sommes à notre deuxième phase. Hein. Bien. Donc, ça, ça, continue, hein, cette, cette activité continue. La première a été concluante. Donc, nous sommes à notre deuxième phase. Bien. Bien, mm. nous allons revenir en studio avec Mme euh, Madame Garba Maimouna, euh, consultante genre paix, sécurité et gestion des conflits. Elle est aussi, je le disais, conseillère technique à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Alors, euh, vous avez du double casquette. Hein. À quel niveau, quelle est votre contribution dans la chaîne de protection des populations démunies, notamment la femme, des populations vulnérables, dont la femme euh, si je parle euh, au nom du réseau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale avait entrepris dans toutes les régions du pays des missions de sensibilisation et pour amener la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, pour faire comprendre que l'intégrité du territoire, la paix pour notre pays relève des populations à la base et qu'ils doivent de manière directe et réelle aider et les autorités à pouvoir conserver la paix que nous avons, la paix que nous est chère. Donc mm. l'Assemblée a fait ce travail-là. Mm. Et la dernière euh, fois, en, partenariat avec Counterpart International, le réseau Genre a rencontré les femmes leaders de la région de Tilabiri par rapport à la question de sécurité pour pouvoir détailler et voir en long et en large quels sont les problèmes elles sont exposées et quelles sont les mesures qu'il faille prendre pour pouvoir les solutionner. Mm. Et je crois qu'un important pas a été fait parce que la rencontre a permis un échange direct entre les parlementaires et les femmes leaders de la région du Télabéry. Mm. Et entre autres, l'Assemblée a aussi fait des missions à l'intérieur du pays avec des appuis considérables pour les populations pour la question du Covid-19. Ah. je crois que l'Assemblée n'est pas restée en, étroite collaboration avec les populations qui, qui les ont mandatées. Alors, Bien, nous abordons la dernière partie de cette émission, notamment euh, ce qui concerne les mesures de protection à envisager en faveur des femmes euh, vulnérables, euh, notamment exposées aux conflits armés et au Covid-19. Euh, Madame Garba Maimouna, conseillère technique à la Commission Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, quelles sont, à votre avis, les mesures de protection dont bénéficient, euh, en tout cas, les femmes de façon générale au Niger et euh, quels sont les points forts et les, points d'amélioration qu'on peut soulever aujourd'hui Pour les mesures de protection, il faut dire que euh, la constitution même du Niger et euh, en son article 22 euh, pose le système de quota. Mm. Et je crois que le quota est un point important pour la promotion des femmes. Et vous avez vu cette fois, le quota a même été revu à la hausse pour que les femmes puissent participer presque presque parce que nous sommes en train de voir pour arriver jusqu'à la parité, mm. mais déjà un, pas important a été fait. Je mm. crois qu'en en, la matière, la Constitution est un véritable point de départ. Et en dehors de la, de la Constitution, je crois que beaucoup de textes sont là. Beaucoup de textes sont là. Nous avons au niveau de l'État même, il y a un observatoire national pour la promotion du genre qui dont l'objectif est de vérifier à tous les niveaux, au niveau des institutions, au niveau étatique, au niveau des partenaires, quel est le respect hum. du quota et si cela n'est pas été fait, donc c'est une, institution de veille pour pouvoir rappeler aux, aux, autres que la femme a les mêmes droits que les hommes et qu'il faille donc les mettre dans leurs droits et, le plus vite serait le mieux. Hum. Et je me dis que les associations féminines ne sont pas restées, laissées en reste. Elles font de, leur mieux pour pouvoir, en tout cas, mettre les femmes dans de très bonnes conditions. Et je remercie au passage aussi les partenaires techniques qui appuient l'ensemble du pays, que ce soit autorité, institution ou bien autre ONG, association qui évolue dans le domaine de la promotion de la femme. Alors on voit qu'il y a un cadre juridique et institutionnel garni pour, en tout cas pour la promotion et la protection euh, du, du, genre de la femme. alors est-ce que sur le terrain, il y a des limites aujourd'hui qu'il faudra euh, soulever ah Oui, les limites, ça ne manque pas. Évidemment, les limites, puisqu'il y a une, une question de moyens qui se pose, une question de compétences même qui se posent en la matière, je crois les limites sont là et flagrantes. Mm. Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est-à-dire que c'est un pas important qui a été fait, il faut le relever. Mm. Il faut pouvoir savoir que maintenant, quand vous partez au niveau des, des, villages, en tout cas, rares sont les villages où vous n'avez pas un groupement féminin mm. bien organisé, ou en tout cas les femmes qui, d'un temps n'étaient pas euh, mêlés à la chose active. Maintenant, vous, vous, allez les retrouver au niveau de chaque village nigérien. La plupart du temps, vous allez voir des femmes organisées, des femmes déterminées, des femmes qui apportent un plus au processus du développement familial d'abord. Parce que maintenant, vous allez constater plusieurs femmes chefs de famille malgré que le terme entre griffes gêne les uns et les autres, mm. je crois que dans la réalité des faits, vous avez des femmes chefs de famille qui assument les mêmes responsabilités que, certains hommes, sinon mm. beaucoup plus que certains hommes. Mm. Donc, et tout cela a été facilité euh, par, par, la sensibilisation, par, par, par, les dispositifs juridiques, parce que l'État est vraiment bah, partant déjà avec la loi sur le quota, avec l'Observatoire national, avec la politique nationale, le genre du pays, je crois en tout cas, le cadre est idéal pour pouvoir arriver à une promotion eh, véritable de la femme nigérienne. Madame Falmata Madame Koko, vous partagez ces points de vue euh, sur notamment le dispositif juridique et institutionnel mis en place en faveur des femmes. Alors, quelles, sont, sont, à votre avis, les, limites peut-être de, de ces dispositifs pour, pour des améliorations Bon, par rapport aux propositions des mesures, nous, nous voulons vraiment accompagner les efforts de l'État dans la lutte contre le Covid et la protection en faveur des femmes et des filles en situation d'urgence. Nous sommes tous des DIFA et nous savons plus que compte les besoins de cette population en termes de protection et de la lutte contre le Covid. Donc, pour ce faire, nous avons vraiment besoin de moyens financiers et matériels pour atteindre nos objectifs, et pour accompagner l'État dans tous ses efforts. Là, quand vous dites nous avons, vous parlez de votre association spécifiquement ou même vous parlez des, des, différentes organisations locales qui interviennent Non, je parle de votre association. Hmm. L'association pour l'épanouissement des, des, femmes et des jeunes. Des jeunes, oui. E euh, euh, selon vous, quelles sont les principales mesures euh, de protection que les acteurs étatiques et non étatiques doivent envisager en faveur des femmes D'abord, le renforcement de la sécurité. Hmm. Parce que dans la région de Dissan, nous avons besoin que la sécurité soit renforcée davantage. Hum. Et aussi, d'appuyer les femmes de l'UNI à pouvoir soulever, à être autonomes, à pouvoir supporter différentes charges vraiment et très lourdes. Et ça, il faut l'appui. Il faut que les femmes soient appuyées, que de manière financière et même matérielle. Et, et qu'en est-il des, acteurs non étatiques, notamment les, partenaires euh, techniques et financiers euh, vous nous entendez, Falmata Allô Oui. J'ai dit, qu'en est-il alors de. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des, partenaires techniques et financiers C'est ce que je viens de dire, l'appui financier et matériel. Hmm. Bien, nous, allons revenir au studio euh, avec euh, Madame Garba Maimouna. À votre avis, quelles sont les mesures que d'abord l'État doit prendre davantage pour euh, euh, la protection de, de la femme euh, exposée entre ces, ces, défis sécuritaires et sanitaires et qui doit être la contribution des acteurs non étatiques. Je me dis que la première mesure, en tout cas la plus importante, la première mesure la plus importante, il n'y a pas de développement sans paix. Hum. Donc la priorité de l'État devrait revenir sur les questions de paix, faire en sorte que, en tout cas, le Nigérian retrouve temps la sérénité familiale, la, sérénité communautaire et la sérénité au niveau du pays. Donc, j'appelle encore les autorités à mettre l'accent sur les conditions véritables pour ramener le Niger dans la paix. Et ce, en collaboration avec les populations, parce que les forces de défense et de sécurité, quel que soit le niveau techniques qu'ils ont, quelle que soit la volonté des militaires, quelle que soit la volonté des autorités, il faut que quelque part la population soit associée en long et en large et selon et tout au long du processus. Mm. Donc il ne faut pas laisser les populations en dehors de ce processus-là. Et il faut aussi faire la contribution des femmes parce que vous constatez que la plupart du temps, en termes de conflit, comme on l'a dit et on le redira encore, les femmes sont les premières victimes avec les enfants. Elles sont délaissées, elles deviennent des pères de famille, elles sont en même temps mères, elles deviennent tout au niveau de la société. Donc, pour l'instant, il est important d'associer les femmes à tout le processus de recherche de la paix et de consolidation de la paix. Il faut vraiment les impliquer. Il ne faut pas qu'elles soient des actrices passives. Il faut qu'elles soient vraiment, véritablement associées à la recherche de la solution et à la consolidation de la paix. Et j'interpelle aussi les autorités, euh, les populations, pour mettre l'accent sur la scolarisation, mais la scolarisation de la jeune fille. Parce que vous allez comprendre que ça soit en période de conflit ou en période de paix, une personne alphabétisée, une personne instruite n'a pas les mêmes comportements, n'a pas les mêmes apports une personne analphabète ou une personne est plus ou moins instruite. Donc, mettre l'accent sur la scolarisation, mais la scolarisation de la jeune fille. Il faut aussi mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes, que les femmes soient indépendantes financièrement, ah. que les femmes soient indépendantes socialement, que les femmes soient indépendantes politiquement. Ah. Je mets indépendante, c'est-à-dire que pas en termes d'égalité arithmétique, non, ah. mais en termes que la femme, elle, en tant qu'actrice de développement, qu'elle puisse contribuer au même pied que les hommes au développement du pays pour que quelque part on sache qu'elle n'est pas un citoyen de seconde zone. Donc il faut que ces femmes-là soient associées. Et comme je le disais tantôt, je dis nous sommes dans un processus électoral qui est déjà engagé. J'invite donc les unes et les autres, et surtout les autorités, à faciliter la route, à faciliter, à, contribuer et à faire en sorte que les femmes puissent mieux se positionner à tous les niveaux, au niveau local, au niveau euh, de l'Assemblée et au niveau des autres instances de prise de décision pour qu'elles puissent même défendre les intérêts des femmes, pour qu'elles puissent même défendre les intérêts des plus vulnérables qui sont elles et leurs enfants et les personnes en situation de handicap. Et qu'en est-il de la question de, de la santé et euh, La question de la santé, euh, la santé c'est primordial on ne peut rien faire sans la santé. Et vous allez constater que maintenant, au niveau des, au niveau de, des des centres de, réfugiés. Mm. La dernière fois, nous étions en partenariat avec Counterpart International et parmi les problèmes soulevés, les femmes ont soulevé le problème d'accès à ces centres-là. Mm. Le problème d'accès est parfois le manque de produits et l'insécurité aidant. Parfois même le pharmacien ou le médecin a peur de sortir à des heures indues pour pouvoir répondre aux sollicitations des malades. Mm. Donc je, je reviens à la question de la paix, elle est est fondamentale parce que autour d'elle, toutes les questions de, prise en charge, que ce soit scolaire, politique, sanitaire, culturelle et sociale. Bien, merci. Nous terminons avec vous, Falmatamalam Malam Kouko. Euh, quel commentaire vous avez envie de, faire sur, sur les propos de Madame Garba Ou bien euh, est-ce qu'il y, avait, il y a un complément que vous voulez ajouter par rapport aux, mesures, justement Oui, et tout de suite, Madame vient d'évoquer un petit point. Hum. Je s'agit de la gouvernance locale, hum, hum. En -huh. parce matière de politique, c'est que la femme représente. Donc là, il y a la faible représentation des femmes dans l'appareil gouvernemental, l'inégalité. Les femmes sont marginalisées. Il y a aussi la non-scolarité. Vous voyez Oui. Il y a aussi un problème de relation entre autorité et population. En tout cas, nous, nous existons vraiment de respect à la lettre des décisions de l'État, hein. que ce soit en période ou non, en situation d'urgence, non. Bien. Vous, oui, nous vous suivons bien, nous vous entendons. Vous avez fini Oui. Bien. Merci et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui. Merci à toutes les deux euh, d'avoir contribué à animer cette émission sur euh, quelles mesures de protection pour les femmes dans un contexte de conflit armé et de Covid-19. C'est le thème donc du jour. Merci à toutes les deux d'avoir participé. Nous retenons en tout cas de, cette émission que les femmes dans ces deux situations sont exposées à ces deux défis sanitaires et sécuritaires euh, celui lié à l'insécurité dans les, dans les zones qu'on avait citées et aussi lié à la pandémie du Covid-19. Les principaux défis auxquels ces femmes sont confrontées sont d'ordre sanitaire, alimentaire, euh, la question de la scolarisation aussi euh, se pose avec acuité dans les zones d'insécurité. Et nous avons également vu ensemble les défis politiques pour ces femmes dans ces zones de pouvoir participer en tant que إلك ou en tant que, en tout cas, euh, quelqu'un qui aspire à, être élu. Les défis économiques euh, pour ces femmes aussi se posent, notamment euh, le fait qu'elles sont dépourvues de tout moyen de subsistance, alors que souvent elles, elles sont chefs de famille du fait de la disparition de leur mari. Les mesures à, prendre en compte par les différents acteurs étatiques, tout comme non étatiques, sont entre autres notamment l'implication de ces femmes justement dans la recherche de la paix, euh, mettre l'accent sur la scolarisation de la jeune fille, parce que, comme l'avait souligné une de nos invités, euh, une personne instruite n'a pas le même comportement qu'une personne non instruite dans des situations d'urgence. Euh, notamment, euh, il y a aussi la question de l'autonomisation de la femme qui doit permettre à la femme de, se prendre en charge et d'être à l'abri de, de, certains risques. Merci à tous. nous étions en compagnie de, Madame Garba Maimouna. Elle est consultante paix, sécurité et gestion des conflits. Elle est en même temps aussi conseillère technique à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Nous étions également en compagnie de Falmata Malam. Elle est membre de l'Association pour l'épanouissement des femmes et des jeunes à DIFA. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par euh, Al-Mustafa Ayouba. Merci à tous. Bonsoir.